il était député dans la 14e législature mais venu investir côté Bobo, bi il a été élu sur la liste départementale de Saint-Louis avec Yewwi Asken mais bi pas il a été investi à la 13e position donc peut-être position moo ko mais maintenant il nga niki Niki aussi gore dafa baax ci loo gis ko Khalifa Sall defaloo def directeur des bourses au niveau de la ville de Dakar investir nañ ko pourtant bi koy investir jamono yi amoon na ñeneen ñu mais maintenant yëf yi ce n'est pas parce que tey gisoo ci sa bopp nangu naa moi demee je peux démissionner de Taxawu Sénégal possible ce n'est pas à exclure mais ce que je damay génn dans avec la grande porte remercier les gens qui ont été sama train de dem des gën ngay le euh, parce que Khalifa Sall et Barthélemy vraiment jiwuñu ba euh, Abba sortie dans les réseaux sociaux vraiment je le condamne maintenant il y a des des mouvements les cadres génnoon un certain aussi il est en train de faire le tour des plateaux de dénigrer ce qui se passe à Taxawu maintenant il faut nous comprendre ce n'est pas un parti politique. C'est une plateforme qui regroupe les anciens socialistes, des partis politiques, des identités remarquables. Comme que Amna a éliminé deux élections, trois élections, il faut que maintenant qu'on aille vers une formalisation. Parce que parti politique, l'indioc, mission, conquérir et exécuter le pouvoir. Donc il y a des problèmes, on les reconnaît parce que mon élection élection euh, présidentielle 24, il moins de 2%, bio aussi il y moins de 2%, donc il y a des problèmes. Il faut les régler en famille. Très bien, c'est important. En tout cas, donc le linge sale se lave en famille. Ah bah, chacun fait ses choix. Mais vous êtes prêt, vous, l'opposition, à laisser ce régime travailler quand même Moi, vraiment, l'appel que je voudrais faire ici, à travers le plateau, hmm. le débat aujourd'hui doit être à l'hémicycle on a 35 députés de l'opposition mhm. suñu gorlo deux groupes parlementaires avec cette forte personnalité ils peuvent apporter vraiment de la plus-value dans les ruptures changement même sur le modèle démocratique tu as 1 million de voix ça te donne 100 députés. Toute l'opposition réunie, 1 million 600 voix, ça te donne 35. Donc, on a une rupture, un changement. Nous avons fait débat à l'Assemblée nationale, mais pas de dehors. Maintenant, de dehors, comme ça, pour Tahao, Anta, peuvent animer parce que la politique aussi n'aime pas le terrain vide. Il faut animer, massifier, former ses militants pour préparer, parce qu'Ablaïwad a combattu 26 ans pour avoir, Macky Sall 3, 4 ans pour avoir, aujourd'hui 5 ans, 10 ans pour avoir. Donc, ce n'est pas parce que là, on va croiser les bras, euh, mais on va continuer de travailler mais quand même une opposition vraiment républicaine permet ces jeunes de, travailler, travail, pourquoi pas les encadrer. Des fois, on ne veut pas dire que euh, ben comprimé c'est je ne fais pas euh, l'apogie de la transhumance ou l'apogie d'aller intégrer mon futur gouvernement très bien en tout cas xamal len len de rek moy sen bëgg xam te ko ak bakki sax fekk bi jamono ñu dem <laughs> dañ lay gan la dañ koy taxul ñu rapidement allez-y parce que y a des chroniques qui restent vraiment je souhaiterais que ce nouveau régime le département de dans le cadre de la du désenclavement c'est un département qui fait une superficie supérieure, à la région de Thiès, 10 communes, le centre du Sénégal avec ton ami Hassan eh, John habite là-bas. Mhm. C'est un département vraiment. C'est mon frère. Mhm. donc il faut désenclaver le département de Kumpento en termes de l'eau. mais aussi permettre à am mais l'éducation un département avec deux lycées à Malem à Kupendou, peut-être un lycée à Mérito. Donc, condition d'hébergement des enfants au niveau de Kupendou, de Fadjafé, va calculer autour de 10 à 15% des enfants qui ont bébé. Très bien. Euh, Donc, ça, c'est un cri de cœur que je voudrais porter à ce plateau, à l'endroit des nouvelles autorités. wax dëgg yàlla suñu suñu soxla la di a ñëpp di gërëm ñi nga xam coalition takku wàllu bi nga xam moom élection jël deuxième dans le cadre de l'intercoalition. merci beaucoup c'est important mais comme le ministre de la microfinance, à lune John, il vient aussi de Kumpentoun. San John, la ci donc ce qui fait que il y aura des résolutions ne vous en faites pas je vous ai dit je suis en plein cœur du pasteur mais ils le savent pas coach Moussa on va tout mon gars parce que man il m'amuse moi je moi c'est ma source de distraction vous le savez Ce ma de, aw mënumaa nelaw damay cuqal xale wax wax wax ma wax wax après ma gëmantu te tëdd nelaw mais ils ont toujours pas compris que voilà l'effet Bob boobu may def quoi donc vous allez justement parler du birthday show avec coach Mansour coach Moussa euh, de Technopole Fitness Club Technopole Fitness Club bokk na ci club yi gën a yàgg Dakar wala nekk fa Mansour mi actuellement yore lenge di ko doxal doxal bu mucc ay waaye cela ne veut pas dire que su ma koo xamante ne yàgg na nekk ci milieu bi moom bokk na si ñi ma gën a booster génne ma ruq